Vibe Radio. Vibe Le nouveau son. Yo, yo, Dip Doundou Reptile Music Grand Yoff représenté Telka 221 Yo it's BMJ Dalton Gang Lugundoy 221 Reptile Music Bang Hey Samba Posy from Jack Yeah yeah yeah 221 Bang Yeah, what's up, what's up, Kennedy, what's that, 221 Reptile Music from Grayoff, boom. Dogo le Dogo DMG Reptile Music 221. Alors, votre parcours personnel, comment vous avez commencé le rap Bon, euh, bon personnellement, j'ai commencé depuis, je pense, normalement, professionnellement, fin, fin 2012. Après, j'avais intégré le studio en 2012. En 2014, fin 2014, j'ai sorti mon premier projet, Besniketaï, Taï le Cagne. Euh, Taï, Deep 151, 1, Deep 15 2, euh, Taï Jusqu'à présent, voilà, on vient pour présenter 221 avec la team. Voilà, il y a beaucoup de, choses, beaucoup de choses qui se sont passées. On ne peut pas tout dire, quoi. Bon, début carrière moi je pense 2013 laa njëkk a commencé laa njëkk def sama affaire solo quoi depuis loolu faut que benn at la ci teg génn benn équipe bu ñu tuddee Corbeil en partenariat avec Reptile Music cela laa intégré après ñu commencé du job quoi ñooy nii tamit depuis Corbeil ba léegi tamit deux cent deux cent vingt et un def yeah yeah Mon maay commencé maay dem Reptile 2013 2013 mais 2014 là commencé next affaire bi yaa ma xam. Mais vous lu ko safal ba tey yaa am gën a xam deux cent quoi c'est comme ça sax. bien comme débuté en 2007 euh, voilà avant euh, je faisais ça genre je ne prenais pas au sérieux je faisais ça avec mon topo Désirix mais maintenant euh, euh, ça fait ça fait même pas comme combien de temps sept non sept à 8 mois hein que j'ai débuté dans la rap avec et puis voilà. was that, Kenny? Yeah, Ulimbo.

Non, non, non, it. What's up? Yeah, yeah. Oh. Gang, gang, gang, comment vous avez intégré Reptile Music Bon, je viens de le dire tout à l'heure parce que voilà, c'était en 2012. Euh, il y avait un ami qui connaissait un ami qui connaissait les gens de Reptile Music. Voilà, ils nous ont mis en rapport. Voilà, ils ont aimé ma musique. Après, on a intégré facilement. Non, moi, c'était pas déjà avant. Nous avons gagné encore, veille avec l'accord de Gassouti. Comme moi, je ne dis jamais rien de moi. D'arrêt de me il m'a dit pourquoi pas partenariat avec Reptile Music. De suite, il est allé voir Bison. On a discuté de cela. Nous gagnons, je dev partenaire gagner Corbeil. Depuis lors, voilà quoi, je suis là. voilà, je suis là. Yeah, moi, je Reptile Music en 2014, 2013, 2014. Front fréquente, il de faire des son fauve. Son premier son, il après, je fréquenter après gars me comme frère yam gëna xam après ba tey nii je suis un nouveau né dans le label euh, genre dama dama def ben track après les gars ont kiffé et puis ci l'as intégré gars yi gis ni war na mëna am tank euh, kanam quoi après ñom gars yi fék fa moy def sama first track xam après gars yi like lu def après et puis voilà quoi Non, la après intégration vite fait hein sept mois laa def nii si génn bi fee sama première traite maa ngi def ay sept mois mooy loolu yaa ngi ko wax. man yaa ngi ma depuis noonu liggéey bu am def benn six mois je pense euh au début Tunisie sama benn copain Malick Ndiobi ñoo fa yobu quoi pour ma dem taw wax ak bison affaire yi demee noonu après ci la demee noonu après ba ñu yegg si hein. Ouais. Alors comment vous avez euh, comment est arrivée euh, l'idée de 221 et comment vous êtes arrivé à on travailler tous ensemble dessus C'était une idée à moi au départ parce que voilà, on était tout le temps au studio ensemble, on parlait, on, se fréquentait. Donc euh, je me suis dit pourquoi pas euh, concrétiser cela en projet. Ah, le monde Comme nous avons dit, nous tous chaque jour.

au studio naturellement. Ça vient hein. naturellement. On force pas les choses. Il y a que fois qu'on prépare quelque chose à la maison. Mais ah, si studio après voilà. naturellement miracle là, quoi comprendre. Non, a quoi ketchup quoi. un

L'idée ne vient pas de quelqu'un de dehors, l'idée ah, ne vient pas de, quelqu'un de seul ici. La part de qui C'est la MIF. En tant qu'ancien alors, parce que toi tu as oh. plus d'expérience, donc oh. quelle expérience tu partages avec eux de la scène bon, de... En tant, Pour être franc, pour être franc, euh, à un moment donné, c'est moi qui, qui apprends sur eux. Parce qu'avec la trappe et tout, j'étais pas trop dans ce délire quoi. Donc voilà.

<laughs> Délire. Donc sur ce projet, il y a beaucoup de morceaux euh, un peu, enfin beaucoup ego trip et un peu clash. Donc euh, pourquoi euh, vous avez eu envie <laughs> quel, quel morceau hein clash, clash. Bah, moi je comprends pas le mais je vois les ah, commentaires. il faut comprendre l'Olaf. D'ego trip déjà. Ouais, ouais d'accord. Donc, est-ce que vous ne pensez pas que ça, c'est euh, un peu un problème de la nouvelle génération du hip-hop qui font beaucoup de sons ego trip alors qu'ils n'ont pas forcément prouvé ce qu'ils avaient en fait Bon, mais pour moi, le rap, c'est juste une musique. Il n'y a, pas de, y a pas de règle là-dessus, faire des mm. thèmes ou des ego trips. Euh, il faut faire ce que les gens écoutent. C'est tout à fait simple. on n'a pas besoin de crier, ouais, on a des problèmes à la maison. Voilà. non, Non, non, non. Yeah.

doit faire ce qui lui plaît à lui. C'est déjà ça un MC. Quelqu'un à qui on dit que ce qu'il doit faire, ce n'est pas un MC. MC. Et puis voilà, c'est ça. MC. <laughs> Et vous faites aussi des sons euh, en anglais. Vous avez un son en anglais où tout le refrain est en anglais. Ouais. Euh, pourquoi vous avez préféré faire en anglais plutôt qu'en français oh, il y a des sons où ils ont chanté en, français. comme euh, Juice. Voilà, c'est ce que je viens de dire on fait ce qui nous plaît, voilà, ce qu'on sent et ça passe. 221, ça 221 euh, c'est un projet euh, fait par des jeunes du Sénégal. Donc, euh, le projet peut se présenter partout dans le monde. Voilà. Récemment, il y a un artiste sénégalais qui a signé sur un label international. Est-ce que vous vous aspirez à ça Plus que ça. Merci beaucoup tout le monde tout le monde espère ça plus que le man beaucoup tamit ñaan plus que le plus loin donc on attend beaucoup plus que ceux qui ont signé là on vise plus loin que ça plus loin que loin on sait qu'on a le talent et puis voilà on vise plus loin que loin on vise plus loin que ça on est plus loin que loin même ouais that's loin que loin loin loin loin <laughs> loin yeah that's music that's hip hop et donc, euh, en tant que Reptile Music, euh, vu qu'ils ont eu euh, le label déjà a eu des problèmes avec d'autres labels, avec d'autres rappeurs, etc. Est-ce que vous vous sentez impliqué dedans On n'a jamais eu de problème avec d'autres labels. Bon, on a eu des problèmes avec un seul label ici au Sénégal. Donc il ne faut pas dire qu'on a des problèmes avec d'autres labels. Voilà. Il y a d'autres labels qui ont des problèmes avec nous, mais nous, on n'a pas de problème avec eux. Et donc, vous vous sentez aussi impliqué dedans dans les clashs, etc. Ou vous prenez du recul par rapport à ça

deful musique deful lu la neex. Seex Olof Ndiaye dama ne la def lu ñu neex. lan la koy waxatee ku ñu waaw ragal féete day xañ a wërsëg. mosuñu ragal féete. ñu ngi reptile Music. et on cuisine la sauce. je comprends pas. on est désolé. après voilà. code commentaire code commentaire code tu <laughs> vas traduire ça après. <laughs> <laughs> Donc là, on sent bien euh, qu'il y a une entente entre vous tous. Euh, Et c'est une entente que euh, euh d'extérieur, on ne sentait pas forcément avant, justement, avec les autres membres. Donc mmh. comment t'expliques ça Bon, c'est tout à fait naturel. Dans la vie, il faut pas forcer. Dans la vie, il faut pas forcer. Soit, par exemple, tu es, es avec quelqu'un, vous travaillez ensemble vous, vous, restez professionnel ou parfois vous, vous, vous, dépassez ce cadre. Quoi. Voilà, on ne peut pas choisir cela dans la vie. Voilà, il faut accepter. C'est tout à fait simple. Il faut juste accepter. L'ambiance est venue comme ça. Ouais. Naturellement. Tu connais Baifan On est tous des Baifan, c'est ça. Les bouts de naturellement, quoi. tamit ñu ñëpp ay nit lañ quoi ouais ñëpp ay nit lañ tamit naturellement Voilà, ñuy nekk rapport ñu ñëpp nit lañ woon tu vois c'est de cette entente qu'est né le projet après, la musique, c'est nous, quoi. Yeah, Et on reste nous. Pour Deep, euh, est-ce que maintenant, ça t'a donné envie de monter un label à toi Bon, peut-être après. Un label à moi, bon, après. En ce moment, je préfère pousser ma musique plus loin que ça. Après, on verra. Mais à chaque fois que je vois un talent, je vais faire de mon mieux pour le pousser. Mais concernant créer un label en ce moment, non, non. Il y a des choses, il y des choses que je dois faire d'abord. Voilà, c'est pas d'actualité. Euh, donc vous êtes un groupe de garçons, donc vous avez beaucoup de fans féminines, comment vous gérez ça ah. ah, ouais, ah, la question qui tue. Allez, ah, ah on vous gérez ça avec la manière, avec la manière, voilà. Crazy. Mais non. Baba Sabay. Baba Sabay. nee ko gas laay def su ma amee aabi. loolu wax waxoon wax bi lenn la wax bi lenn la ah, pour muy clair ñu wax ko waxaat ko ah tey la kañ. buntu bi tëju na bu yàgg pour suñuy caga fans. la demee tëju na bu yàgg. <laughs> bu baax laa lay wax. <laughs> yow loolu.